Alors, donc là, nous sommes au centre Mas Donc voilà, monsieur le maire. C'est son, équipe de communication. Donc voilà, Karim, ça va Donc, euh, Mas 1 def euh, aussi rang toi fil voilà on est le 23 janvier hein? il est 15h35 Nabakh Diaz et à son centre de vote, Mass 1. On doit voter au bureau numéro 1. On est top, tirandi On est top tirandi il est arrivé avec une sérénité légendaire voilà donc. Euh,

Voilà, donc, euh, est-ce que je fais de la journaliste Gentiment, je vais poser le Et comme tout bon citoyen, nous top petit rang bi comme ni ngeen ko le rang est là la file est là. voilà donc la file est là donc euh, rang bi xaw na gudd lool mais teewul dafa a def tout simplement. lu lu ko war muy lan xaar ba ñëpp pare xaar ba ñëpp ñëw mu doog tout simplement voté xaar ba ñëpp ba ba rang bi egg plutôt mu doog a voté. un bon maire. c'est la queue des rangs. ñu ngi fi fekkee ay nawle. il est mère. c'est le futur maire. il fait la queue comme tout le monde un maire exemplaire. Waouh le meilleur de sa génération. le futur maire de Dakar est là. Pas le futur le maire de Dakar. waaw. bon Vous êtes tous hier à ce que lui 100. Merci Mario. Merci Mario. Allez, Allez, comment ça va voilà comme nous ngeen dit, gisee rek Barthélémy Dias ñi ci rang bi di xaar tuuram jot donc un bon citoyen un citoyen exemplaire donc aussi maire sortant de la commune de Mermoz Sacré-Cœur warul tax mu ñëw di bourler dafa taxaw di moi, il est là. Il est en train de marcher vers l'essentiel. Et c'est ça l'essentiel. Moi, il a def le mois jour campagne, def le en période de pré-campagne. Après, il a accompli droit civique, moi, toujours au vote de fini. Vous êtes 2581 personnes à nous suivre. Restez connectés. processus bi yëpp kii di maire Barthélémy Dias nar a voté fii nii ci centre Mass Nasser Niane 1 bureau numéro 1 waaw est voilà gis ngeen ko le maire Barthélémy Yatou Sara sëgg ci téléphone bi pour simplement moment bi jot 今年开，后天就这个结婚了嘛，对吧？不行不行，

nossos lares. E, não, irmão. É monstro. Vai, vai pegar. Bom, tá? Tchau. Não é lá que fez yàlla baax demal côté côté boobu. Voilà, gis ngeen ko de ñoo fi ci centre Mass Messer ñan 1 et le maire Barthélémy Diaz est venu voter centre benn presse jël ak journaliste. Voilà, et tout se passe dans le calme fii ci centre. euh, centre euh, Mas Lacharnian 1, ex-Bobab 1. Donc la presse est là, le maire Barthélémy Diaz est là. moom moo moom rek la ñuy xaar ni mu tuuram jot parce que comme je l'ai dit tantôt dafa di rang et voilà donc dafa dafa di rang euh, voilà. Ça C'est là, vous allez bien. 3. on voilà ñu ci le maire Barthélémy un bon parce qu'un un bon patriote un bon. un bon patriote mais un bien

哈哈哈！哈

Voilà. Allez, le maire Barthélémy Diaz, mon tirant en vie. Allez, Comme tout bon citoyen, nous le karmi du Coran. Voilà, ça nous y a dans le Coran. Voilà, donc nous sommes dans le Beretult. waaw waaw kay mari kay mari kay waaw non non non non non beneen micro waaw bien gaa ngi woon ci taal naa ko xaar xaar xaar ma xaar ma ok ñëw na euro. Bana. Bana. Dakle. Thank you. Donc, comme je l'ai dit tantôt, restez connectés. di ngeen mën a xool bu baax les Dias di dugg ci salle de vote bi fas yéene jël les bulletins de vote dugg ci Banguel ci ñu vote Thank you.

Quelli sono loro. Allez, photo. Allez, photo. Allez, photo. Allez, photo.

있네 버스 Thank you. Ça va. voilà comme nous avons fait, même si vous rang bi même si vous ni rang avant avancé donc il reste là sous ce chaud soleil voilà parce que mis euh, l'idée de le droit civique

Bunu söyleme. Sorma bu. Doktora geldi. Tamam abi. Dokuna geldi. Bizim akmayalım. gis nga laa am ba demee ba ne laalee dootul laal ci donc disons euh, ñu xaar ben ñet ñent nit wara a après ñu avons aussi ci comme je l'ai toujours dit donc là il est euh, candidat à la commune de Mermoz sacré mais aussi candidat pour la ville de Dakar c'est là que... nañ ko gisee salle bi fees na dell ak journaliste ñoom ñëpp fas yéene ko xaar pour mu war a voté Moi, je, je mon troisième âge, je vous donne un diplôme. Mais toi, tu portes une diplôme, tu portes un diplôme. Non, mais il faut regarder, devant, devant, devant, devant. Ah bon, ok, c'est bon. D'accord. Ok. Hum? Gare?

ndax femme yi moom dañoo may dañu mën a def taxawaay taxaw taxaw dafa métti. waaw waaw loolu la. waaw kay noonu. la formalité est très simple. voilà loolu la ñu def nii. ah. Iran bi. d'accord. দুজন প্রতাপ আসুন দুজন প্রতাপ মেয়ের দুজন প্রতাপ মেয়ের নারায়ণগঞ্জে বেলগুড়ি Thank you. yow ndam la incha allah donc Ndiaye nee na cin su ma su su su su ah kër gi rek ñaanal bu baax baax. Habla. Sénégal. Allô Oui, comment allez-vous Mamie. La famille, ça va Merci, Merci. Vraiment, merci pour le soutien. Merci, merci. Ah, merci beaucoup. Merci pour les encouragements. Ah, d'accord, famille Très enchanté, très enchanté. Mais merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci. Merci. Alors, Naïf. Oui. guerre.

waaw. waaw neex na waaw tout à ah, l'heure ah, waaw jaajëf. waaw madame ça va. Gracias. Pardon, pardon, pardon. Ah, d'accord. Pardon. Et merci pour le soutien. Amen, amen, amen. Merci vraiment beaucoup. Et é, merci, merci beaucoup. Merci, merci.

vous voter vous libérer la salle quoi sinon disposition comme ça. c'est le maire qui vote actuellement Vous avez tous

ñëwal ñu ci ginnaaw chef chef ñëwal ñu ci ginnaaw chef en tout cas bàyyi leen passage bi bàyyi leen passage bi bàyyi leen passage bi bàyyi leen passage

Hey, what I want to do? Hey, go, hey. Hey, go, hey.

soo paree da nga leen signé ci liste bi. mën na signé deuxième fois. dugal sa baaraam ci encre intérêt bi. signé voilà. monsieur le maire bonne attente bonne voie. oui. sa pièce d'identité. voilà. ok monsieur le maire ok bonne journée. merci à vous. am idée bi taxaw ci kanam dégg nga. Günah terimi yarın yiyecek. Çipidi, çipidi lan. Karın, nişan karın, nişan karın böyle gayrı. Il peut faire juste. Monsieur le maire donc Bamba léegi interview bi moo des déjà génn na école bi comme ni nga koy gis nii mu wote na bureau de vote numéro de ok foofu la wootee. woote na ñaari yoon. je prie. dina baax. c'est à cause de Sacré-Cœur que je suis venue. parce que Sacré-Cœur bay buñ la laaloon. parce que ñu ngi ko doon xaar. bay buñ la laaloon. depuis 10 heures. sa yaay yëpp a ngi taxaw. yàlla baax na góorgóorlu dina baax. merci beaucoup. Sejak Sola. nee na nee ngeen taxaw leen nan ngeen أنا كريم أنا كريم وي فاتيك فاتيك فاتيك في في موم في 不叫不叫。